bonne année à toutes et à tous. ala fetna rodna watay wakayesi di modon e woncagol hitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Nous sommes lundi 15 janvier 2024. Bonjour, euh, chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu. Ravi de vous retrouver dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous nous écoutez via nos radios partenaires en streaming et en streaming sur le www.studiokalangu.org. Au micro, je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et je suis en compagnie de Rabi Meikano. Bonjour Rabi. Bonjour Seno, ça va? Je vais bien, merci. Alors Seno, nous tenons également à adresser Chaleureuse chaleureuses salutations à nos collègues qui œuvrent dans l'ombre. À la technique, c'est Amina Hassan et à l'édition, nous avons ce matin les dames de fer Rahila Toussoumana et Adama Dawaki. <laughs> Alors, c'est nous quel est le menu du jour Et eh oui, aujourd'hui, et comme tous les autres jours, un menu captivant vous attend, chers auditeurs. Tout commence par le flash d'information pour vous tenir au courant des événements récents. Ensuite, un cocktail musical qui met à l'honneur la musique nigérienne. Les chroniques Loti avec le desk femme de la rédaction et le sport suivront un peu plus tard. Le tout agrémenté par la culture linguistique en anglais et en français. Et dans la partie entretien du jour, nous recevons Monsieur Habibou Labo Mouftaou. Il est le président d'une organisation qui œuvre pour le développement du Niger. Évidemment, la question du développement du pays sera au centre de nos échanges. Pour l'écho des régions, nous irons à Zinder où des jeunes sont formés dans la cosmétique pour apprendre métier. Eh oui, Rabi, nous sommes lundi et la rubrique hebdo du lundi est consacrée aux questions de justice. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un agréable moment en notre compagnie. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Nafissa adamoussi Sirufo. Bonjour Nafissa. Bonjour Abi, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi a apporté des précisions sur le décret du 4 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de certains agents. Ce décret concerne spécifiquement les agents sous contrat de louage de services et les agents à statut spéciaux en service dans les ministères et institutions publiques. La saison touristique 2023-2024 a débuté ce week-end et s'étend jusqu'au mois de mars. Elle a été lancée par la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Soufiane Agueshata Guichen, à l'occasion de la célébration de la journée du tourisme intérieur. C'est un événement qui a pour but de susciter chez les populations du Niger l'envie de voyager à l'intérieur du pays pour découvrir plus en profondeur les richesses socio-historiques Environnemental, économique, économique qu'il possède. Enfin, la société Arke Industrie Niger Ari Niger SA, c'est le nom que portera la future société de production du sucre. Elle sera construite à Junju dans la région de Dosso. Un décret lui accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements a été adopté par le Conseil des ministres en début janvier. Arke Industrie Niger a pour objet social, entre autres activités, la production de sucre, de jus de canne à sucre et d'aliments bétail. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafissa pour toutes ces informations. On te retrouve ce soir à 17h pour le journal en français. On se prend donc à 17h. Voilà, à tout à l'heure. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes aujourd'hui avec monsieur labo Mouftaou. Il est le président du mouvement Émergence populaire pour le développement du Niger. Monsieur Habibou, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Voilà, Rabi, avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord euh, la première musique de notre sélection musicale de ce matin. Il s'agit du titre Santana de Boriband, un orchestre de la région de Maradi. Dans ce morceau, le groupe chante la, euh, la trahison. C'est l'histoire d'un chanteur qui est tombé amoureux d'une fille du nom de Santana. Après, la fille est partie le laisser et il chante son mal-être. Pourquoi elle a fui suivant avec nous pour connaître les raisons.

na na na na Aida, Apandias, Tana, Papisimina, Enseta, Apandias, Tana, awali gario. yau, Santana ta kudu ta bar ni, mai rabo ya samu, marar rabo mai rabo

Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Santana de Boribande de Maradi. Voilà, c'était le premier titre de notre émission, tout en espérant que vous avez aimé. Et notre invité qui est avec nous au studio, qui l'a aimé aussi, <laughs> notre sélection. Voilà, monsieur Habibou, rebonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, présentez-nous brièvement votre structure, Epoden Niger, les principaux objectifs et missions qui lui sont assignés en matière de développement. Voilà, merci madame, et bonjour tout le monde. Donc, euh, Émergence populaire pour le développement du Niger est une structure, une organisation de la société civile qui a comme objectif, n'est-ce pas, d'accompagner les efforts de la population de le cadre du développement. C'est une structure à but non lucratif, elle est apolitique, elle est non confessionnelle. Euh, ensuite, euh, elle a aussi des objectifs spécifiques qui consistent à promouvoir le civisme, le développement durable et la bonne gouvernance, cultiver l'esprit des citoyennetés responsables, promouvoir le respect des valeurs de la République, cultiver l'esprit d'un État de droit, d'une société juste, solidaire, respectueuse de la loi, soutenir la décentralisation, promouvoir la paix et la sécurité. Donc, brièvement, voilà, les objectifs assignés à de Niger. Ok. Ouais, merci. Alors, euh, quel était le déclic de la mise en place de ce mouvement Oui, l'objectif, euh, quand même. Le déclic, hein, le déclic. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a poussé, hein, qu'est-ce qui a déclenché la mise en place euh, de ce mouvement Effectivement, et, eh, Niger intervient d'abord dans, dans, beaucoup de secteurs. Mhm. Parce que le développement que le Podin Niger, quand même, euh, compte pousser dans la société, c'est ce développement qui va permettre à la jeunesse, mm. à la population d'être occupée. Parce mm. que le constat du départ, c'est que notre société est une société qui, a, qui est quand même majoritairement jeune, mm-hmm. mais cette jeunesse n'est pas occupée. Mm-hmm. La jeunesse manque de travail. Et quand on doit parler du développement, quand même, nous devons inscrire dans notre ordre du jour l'idée de l'occupation de, la jeunesse, surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut que, quand même, dans la société, qu'il y ait une majorité de la population qui travaille pour parler de développement. Donc, le déclic, quand même, c'est ce constat dans notre société qui est vraiment, il y a d'énormes jeunes qui sont des jeunes sans travail qui sont souvent des demandeurs d'emploi découragés. Donc il va falloir créer une structure qui va non seulement euh, accompagner les efforts de la population, mais aussi créera les conditions quand même euh, d'insertion sociale de ces jeunes. Parce que à travers le Pôle Niger, il y a des activités que nous faisons qui vont permettre à ces jeunes qui ne sont pas occupés d'avoir des, des travail. justement, nous venons à cette question de comment euh, travaille le mouvement pour promouvoir justement l'émergence euh, des populations, l'émergence populaire au Niger et votre cible et euh, surtout vos zones d'intervention. Oui, les cibles quand même sont spécifiquement les jeunes et les femmes pour parler généralement de la population, parce qu'aujourd'hui, si on doit parler de, travail, on doit euh, s'intéresser à cette population active. Et la population active, c'est cette population jeune, parce qu'on suppose que ceux qui sont trop âgés, et ils ne sont pas suffisamment quand même forts pour aller travailler. Mais quand on parle de la population active, on s'adresse directement à la jeunesse, à la population mm. euh, jeune. Donc, ce qui motive cette euh, structure à aller vers la jeunesse, c'est son activisme d'abord, mhm. et que la jeunesse, c'est à elle de quand même, euh, c'est le bouclier quand même de la société. C'est à elle de prendre en charge la société à travers son énergie, sa force. Donc il va falloir créer les conditions de mettre cette jeunesse dans, dans l'occupation, dans l'entrepreneuriat, dans le travail. Ok. Alors, euh, parlons bien évidemment de l'entrepreneuriat. Partagez avec nous un projet ou initiative concrète dont vous êtes fier. Effectivement, Epode Niger a déjà planifié, a déjà un projet, arbre, arbre fruitier à milieu scolaire. Donc c'est un projet qui est déjà établi et nous avons comme site pilote et le département de Duti à travers la commune rurale de Guéchemé, à travers euh, trois villages que nous avons ciblés, Fadama, et Tombondogo et Lokoko. Donc ce sont des villages qu'on a ciblés et le projet Arbre Fruitier. Pourquoi le choix de ces villages-là Oui, effectivement, euh, c'est un début et on a estimé que c'est des zones mhm. et c'est des localités qui ont suffisamment d'eau. Parce que euh, la question de, de, jardinage, mhm. ah, c'est une question qui a besoin de plus d'eau. Mhm. Donc on a ciblé cette zone pour un début, de pouvoir commencer avec ce département, en créer les conditions de faire occuper les enfants. Parce que notre initiative, c'est d'apprendre aux enfants dès le bas âge à travailler. Donc euh, le, le projet arbre fruitier, c'est un projet qui va permettre aux enfants qui sont à l'école primaire d'apprendre à travailler. Nous allons essayer dans l'école de pouvoir euh, créer des, des, jardins et nous allons permettre à ces enfants de s'occuper de ces jardins. Par exemple, les trois villages qu'on a cités, on essaye de sélectionner ou bien de sélectionner quelques enfants ou quelques scolaires. On donne à chaque enfant une charge. On dit voilà, toi, un tel, tu as tel arbre, tel arbre. Tu t'occupes de ça. Tu t'occupes de ça, Et en plus, il y aura des avantages qui vont encourager ces enfants à pouvoir travailler parce que eh, il faut toujours motiver les enfants. Donc en fait, c'est un travail vraiment qui va permettre à ces enfants d'apprendre dès le bas âge à s'occuper de soi-même, à travailler dans la société, à permettre quand même euh, un développement dans la société. Nous aimerions bien savoir comment Epoden Niger collabore-t-il avec les autres euh, acteurs tels que le gouvernement, les ONG, le secteur privé pour atteindre ces objectifs. Comment ça se passe à ce niveau euh, En fait, Epoden Niger travaille avec des partenaires et aussi nous travaillons en synergie souvent avec certaines structures qui ont le même objectif que, que l'Epoden Niger. Quand vous prenez le Podin Niger, eh, compte organiser un rallye du soutien à la révolution nigérienne, parce que c'est ça aussi le développement conduit par le CNSP depuis le 26 juillet. Donc ce rallye sera organisé en collaboration avec euh, une autre structure au nom des AHA. Donc euh, eh, ce rallye consistera à responsabiliser tous les citoyens nigériens devant le destin de la nation. Ok, mm. d'accord. Merci, M. Euh, monsieur Habibou Labo Mouftaou. Nous avons retenu que hein, euh, le constat qui a poussé euh, votre structure à être euh, mise en place, c'est la majorité, n'est-ce pas, de la jeunesse nigérienne qui n'a pas d'emploi et qui se retrouve souvent dans la rue. Et maintenant, pour pouvoir les occuper, vous avez jugé utile de mettre en place ce mouvement. Et en plus, votre cible, c'est toujours la jeunesse et les femmes. Nous avons également noté que euh, euh, vous avez choisi pour votre projet, le premier projet déjà que vous aimeriez mettre en œuvre. Il s'agit du projet du projet arbre fructueux. Vous avez choisi le département de Guechemé pour euh, pouvoir débuter et la raison qui vous a poussé à choisir ce département, c'est bien évidemment euh, la présence d'eau hein, qui se trouve euh, dans ce département. Alors nous allons marquer une petite pause avant de continuer, une pause musicale et nous allons écouter une grande dame de la musique nigérienne, plus précisément le hip-hop. hip hop il s'agit très bien de Zedem qui nous propose le titre Kirari. On écoute et on revient juste après. my family danger. <laughs> or the next rhyme I write might, might, might be about you. Beware of my family danger. <laughs> or the next rhyme I write might, might, might be about you. If only Ifoni tenda rapo, rapo nikasira pubei, nikanga wani zei, nikanga kase, nikanga kom, bado mikro isaka hanyekirki, na farko abuguda, katukiniya, katukiniya ba dama sakin dan uwa ba dama cin hakkin dan uwa domin matsala da dama ke cikin ƙasa matasa babu aiki laftani babu magani mata karkara suna sa ice ba su da hutu babu mai kula da su amma ka zagi wane ka ɓaci wace ka san da rap shi zai sake rayuwar matasa hama ya sake iko ifoni te da rapo shi mi suka mai da rap ko mi rap ta mai da su jihun kai dan yoyo ni ka dauki rap yau rap da babu zanga zanga kai ko sai da ilmi sai da wayo ana rap name nema Inchi kana wake in baka abun faɗi ka daina zage zage wai mi kuka mai da rap shin me suka mai da rap yau rapper gangster promoter escrow Fi kake jiran bayan ka suma. Fi kake Zahra Moussa, la grande Zedem de son vrai nom, Zahra Moussa est l'une des pionnières du hip-hop au Niger. Elle a su s'imposer dans cet univers d'hommes grâce à la force de sa voix, que l'on entend bien, et de ses textes. Exactement, Rabi. Elle a su également se faire respecter sur les grandes scènes du pays. Sa musique s'est fait connaître au-delà de nos frontières, notamment en Europe où elle s'est installée pendant quelques années. De retour au Bercail, elle tente de transmettre sa passion aux jeunes rappeurs avec des interprétations de ses plus grandes, de ses plus grands, n'est-ce pas, euh, sur scène, succès Mhm. sur les scènes locales. oui. On a l'occasion de la voir euh, quelques fois, voilà. Alors, poursuivons nos échanges avec euh, Monsieur Habibou Labo Mouftaou. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Monsieur Habibou Labo est le président du mouvement Émergence populaire pour le développement du Niger. Alors, Monsieur Habibou, quels sont les principaux défis auxquels le mouvement est confronté dans la réalisation de ses ambitions pour le développement du Niger dans ce contexte hmm, Eh bien, bon, les défis, il faut souligner la question euh, partenariale. En fait, parce que c'est une structure qui a besoin de beaucoup de partenaires. C'est vrai, on a des partenaires pour le moment, mais on en a besoin de plus. Euh, à commencer par le gouvernement, parce que si on doit parler du développement, ça doit commencer à concerner directement les autorités. Donc c'est une occasion pour euh, vraiment adresser nos vives voix à l'endroit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de pouvoir euh, quand même s'intéresser à ces structures qui œuvrent pour le développement parce que après les, les moments émotifs quand même euh, de l'escadrille, je crois qu'il faut maintenant converger les jeunes vers le travail. Et si toutefois une structure qui travaille dans ce sens, il faut vraiment euh, examiner les projets et accompagner les structures. Donc vraiment, c'est le partenariat. D'accord. Alors, euh, comment se fait la mobilisation des communautés locales Comment encouragez-vous euh, la participation des jeunes et des femmes dans les initiatives eh bien, à toute fois qu'on a besoin d'organiser une initiative, mhm. le prennent Niger prend soin, n'est-ce pas, euh, de concerter les personnes influentes. Mhm. Par exemple, parlant du rallye, mhm. si on doit le faire dans les régions, nous devons quand même concerter le gouvernement, le gouverneur quand même de la région. Mm. Ensuite, la question du projet arbre fruitier. Dans le programme, on a prévu quand même de travailler avec les chefs de canton. Ensuite, les directeurs des écoles. Vous voyez, ce sont des personnes influentes qui vont nous permettre de mieux mobiliser et de faire intéresser la population à ces initiatives. Donc, c'est ce genre de, de stratégie qui nous donne plus de de mobilisation. Ok, alors comment mesurez-vous l'impact des actions entreprises par votre euh, mouvement sur la vie des citoyens nigériens Oui, les actions sont en train d'être faites quand même et, la population apprécie parce que tout ce qu'on fait dans le sens du développement, et eh, ça doit aller dans l'avantage de la population. Et vraiment, eh, la population apprécie effectivement nos actions et nous encourage toujours à aller de l'avant, à mieux préparer pour l'avenir. Donc euh, voilà. Voilà, et quelle est votre vision de développement durable à court et moyen terme pour le Niger Notre dernière question. <laughs> <laughs> le développement durable pour le Niger, je crois qu'il faut toujours s'intéresser parce que s'intéresser à l'employabilité, à l'occupation des jeunes. Si je dirais, on vient de finir avec le combat au niveau de l'escadie. On doit s'intéresser à comment faire occuper les jeunes hmm. à moyen terme. Parce que si on doit attendre à long terme, ça va aussi, ça peut créer des dégâts aussi hmm. quelque part. Parce que je le dis, à chaque fois qu'un jeune n'est pas occupé à un chômage, c'est vraiment euh, des problèmes dans la société. Donc, euh, il va falloir rapidement hmm. pallier à ces problèmes et créer les conditions de faire occuper ces jeunes. D'accord. Alors, euh, merci infiniment, Monsieur Habiboulabo Mouftaou, euh, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons une, excellente, journée. <laughs> Merci à vous aussi. Et à une autre fois <laughs> sur d'autres projets. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, cher auditeur, euh, euh, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire justice. Oui, exactement, c'est nous. Et dans cette rubrique, Soukairaju Yakuba, le directeur régional de l'état civil de la migration et des et des réfugiés nous expliquent comment se fait l'acheminement des migrants refoulés d'Algérie. Habituellement, ils sont accueillis par l'État du Niger et ses partenaires. Et ensuite transportés jusqu'à leur localité d'origine respective, parfois hors du continent. Monsieur Yacouba est interrogé par Habibou Garba. Il y a d'abord deux types de refoulement. Il y a ceux que nous appelons les convois officiels. Là, il s'agit des nationaux que l'Algérie rafle et les ramène au Niger. Parce qu'en en fait, ils s'adonnent à la mendicité et ils vilipendent un peu l'image du pays. Donc, les autorités nigériennes ont demandé à l'Algérie de ramasser tout ce qui est nigérien et les ramener. Ça, c'est les convois officiels. Alors, l'Algérie les convois jusqu'à Agadez où nous avons un centre d'accueil. Et à partir du centre qu'on fait le profilage, par région, alors c'est l'État qui prend le relais. Les gouverneurs des régions prennent le relais pour les acheminer jusqu'à leur département ou commune, voire même village d'origine. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle euh, le convoi piéton. En fait, ça, c'est des ressortissants non nigériens. Là-dedans, on va trouver des nationalités comme Palestine, Yémen, Bangladesh, Pakistan. Des pays qui n'ont géographiquement rien à voir avec le Niger. Souvent, c'est des gens qui sont allés en Algérie avec des passeports par alors, comment vous, gérez ces genres de situations J'ai déjà développé comment se fait pour les convois officiels. Oui. Maintenant, pour les convois piétons, l'OIM a un centre à Samaka, un à Arlit, et un Agadez. Quand ils sont enregistrés par la police au niveau d'Assamaka, ils sont remis à l'OIM. Ils les gardent dans son centre parce que c'est une chaîne. De Assamaka, on les amène à Arlit. À Arlit, quand il y a de la place au niveau du centre d'Agadez, il faut mouvement sur Agadez et sur Agadez qu'on prévoit des vols charters ou des mouvements à travers la route dans des bus que l'OIM loue pour les amener jusqu'à dans leur pays d'origine. Mais la difficulté qu'on a avec euh, ce mécanisme, c'est la non-collaboration ou la lenteur de la collaboration des pays d'origine. Quand l'Algérie les expulse, en fait, tout ce qui est document de voyage, argent ou objet de valeur est confisqué dans le but de leur empêcher de reprendre la route parce que l'Algérie se dit si la personne a les moyens, à partir d'Assamaka, il peut tromper la vigilance du contrôle des et puis reprendre le chemin retour. Alors, ils nous viennent avec de simples déclarations verbales. Il va vous dire, je suis ivoirien. Mais l'OIM ne peut pas prendre parce que la personne a dit verbalement, il est ivoirien et l'amener en Côte d'Ivoire, il faut envoyer les informations de la personne à la représentation diplomatique du pays pour vérification. Et quand le pays confirme qu'effectivement c'est son ressortissant, c'est en ce moment seulement qu'on peut procéder à son retour dans le pays d'origine. Voilà, cher auditeur, euh, rubrique justice signée Habibou Garba. Repartons en musique pour euh, rendre hommage aux mamans avec cette chanson des jeunes filles de Dang. Goudoua, voilà. <laughs> Ça, c'est un, c'est, un nom Hausa. Dans le département de Matamei. Ici, les jeunes filles de Ngudao chantent l'amour inconditionnel que portent les mères pour leurs enfants. Elles décrivent également la vie du bébé au sein de sa mère jusqu'à sa naissance. Au sein, oh, au sein de sa mère jusqu'à sa naissance. Nous devons tous reconnaissance à nos mamans pour toutes les souffrances qu'elles ont endurées pour nous. Voilà. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre un oua, voilà, de jeunes filles. des jeunes filles de Angudo. Voilà. <laughs> tu as avec Angudo. <laughs> Vraiment, c'est un nom qui est difficile de prononcer. Oui. Alors, après cette pause musicale, chers auditeurs, direction Zander, ou des jeunes bénéficiant voilà, où des jeunes bénéficient, euh, pardon, excusez-moi, de formations d'apprentissage en savonnerie, détergent et autres cosmétiques. En effet, des jeunes filles et garçons sont principales, sont les principales cibles. Cela pourrait leur permettre de pratiquer une activité génératrice de revenus. Ainsi, ils pourront être indépendants financièrement. Les détails dans ce reportage signé Ali Keita. Une quarantaine de jeunes hommes et femmes ont participé à un atelier d'apprentissage sur la fabrication de savons et de détergents. Ainsi, ils pourront mener des activités génératrices de revenus. Les apprentis se réjouissent de l'initiative. Oh, ah, kenan mu samu incin kanmu mun samu kasuwa sai mu kama ma kanmu da iyanmu a wasu ma ce ma miji kawo a sai kaza kawo a sai kaza ka tima kanka da zo in koya saboda ni ma in je in bude gurup ta ta kaina saboda in janyo matasa kuma in janyo matan arme wanda bisa da sana'ayi su zo kenan kowa samu yancin kanshi suna na murtala bube abin da yasa na zo in koyi ayyukan sabulin wannan saboda kishin kasa ta ne wanda sabulin wannan da muke gani sai mu ji ana dan alize dan alize dan mi ba a ce ba dan Nijar to saboda kishin kasa ta ne wannan abun bana zauna bar sana'a daya kenan mu ma mu zama abin koyi ga sauran matasa maimakon ka je ka samu inuwa ka laɓe Eh, zaman banza kenan saboda shi zaman inuwa ba abin da yake sa sai mummunan tunani amma an kai jajirce kai maka ka kama kasar ka saboda mu matasa mu ne kasar yanzu take alfahari da mu to saboda wannan ne na gani ya dace mu eh, mai da hankali koyi wannan sana'ar ta sabulu na farko za ta rage a yanda na dauke aka kwatanta mana abun tsadar sabulun ma za ta rage a cikin kasar mu yanzu muna sayan shi ne kusan dala 100 et dès les personnes plus démunies

generatrice de revenu kenan cikin categorin activité generatrice de revenu muka yi niyya in Allah yarda chaque mois zan mu zaɓo ɗan wani abu mi forman calculation mi accompagner su da suivi mi forman su akan marketing yadda za su huta su da kansu iya yi da kansu kinan a wannan gamin formation da zan mi zan mi ta bisa les kamar wani sabili mai tauri kamar savon de lessive zan mi omo zan mi savon liquide zan mu ɗauko kamar cikin cosmetic zan mu yi sabon kamar su victago wannan bom donel kuma zan mu yi eau de javel shi disinfectant ne duk wanda ya kama da kyau in savon ka ɗauka kana iya produce shi a grand echelle in umu aka ɗauka lamem shows kenan mu gwada musu yadda za su yi abun su a gani yayi yi valor Les jeunes au Niger représentent plus de 75% de la population. Beaucoup sont confrontés au chômage. C'est dans cette optique que l'association Regard Social organise ses initiations pour leur apprendre un métier. Ce reportage Autonomisation des jeunes des Zender est signé Ali Keita, notre correspondant depuis Zender. Soufflons un peu, c'est nous, avant de poursuivre cette Une Petite pause. Voilà. <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, euh, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site www.studiocalangou.org. Adam Sariou est dans la place pour la page sport. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Seno, bonjour Rabi. Alors. Ce matin, nous ferons un point complet sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Alors, avant de vous faire ce point sur la CAN, nous allons d'abord parler du championnat national qui ce soir on aura l'USGNN qui affrontera la Kokana FC Dalit au stade général Seni Kunti et le Zumunta AC contre l'Urana FC au stade municipal de Niamey. Demain mardi, en clôture de cette onzième journée, la renaissance de Bukoti contre l'espoir FC de Zander au stade municipal de Niamey. Alors, partons à présent Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté ce samedi dans la capitale ivoirienne où on en est aujourd'hui. Alors à cette question, nous allons répondre, c'est nous. Mhm. Eh bien, pour l'instant, on assiste à des matchs un peu plus équilibrés avec des équipes moins fortes qui créent la surprise contre les grandes nations. Après la victoire du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, face à la Guinée-Bissau sur le score de 2 buts à 0, le Nigeria, triple vainqueur, n'a pas profité de son expérience. Il a concédé le nul, un but partout face à la Guinée équatoriale. Pour le compte, de la, pour le compte du groupe A, la Côte d'Ivoire est en tête avec 3 points, le Nigeria et la Guinée équatoriale avec 1 point chacun, et enfin la Guinée-Bissau avec 0 point. Alors, Parlons euh, à présent de la poule B où hein, des autres poids lourds du continent sont logés. Et là aussi, les petits poussés ont une fois de plus déjoué les pronostics. L'Égypte de Mohamed Salah a évité la catastrophe en arrachant le match nul, deux buts partout dans les arrêts de jeu contre une modeste équipe entreprenante de la Mozambique. Rappelons que les Pharaons sont détenteurs du record de titres remportés avec sept titres. Et en clôture de cette première journée dans le groupe B, le Cap Vert a créé la surprise en battant les Black Stars du Ghana dans les dernières minutes, 2 buts à 1. Les Cap les autant pour moi, sont en tête du groupe B avec trois points, l'Égypte et le Mozambique avec un point chacun, et le Ghana avec zéro point. Alors, euh, Adam, pour finir, quel est le programme d'aujourd'hui Alors, aujourd'hui à 15h, le Sénégal champion en titre sera opposé à la Gambie et les Lions indomptables du Cameroun contre la Guinée-Conakry. À 18h, pour le compte du groupe C. À 21h, l'Algérie jouera contre l'Angora dans le groupe D. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations. Merci, Adam. infiniment Adam. Euh, cher auditeur, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Rabi Oui, c'est nous. Notre projecteur est braqué aujourd'hui sur un jeune lutteur de Maradi, une figure montante du sport roi au Niger. Son nom, Jika Baworo. Âgé de 25 ans, Lawal Moussa, plus connu sous le sobriquet de Jackie Bahoro, est un jeune lutteur natif de Gilgigé, région de Maradi. Corps battu sur ses 79 kilos, Jackie Bahoro est un habitué des arènes. Il n'est pas prêt d'abandonner sa passion, la lutte traditionnelle. zan fara yin ta kuma tun da na fara ta habba yau ana ganin nasara gaskiya alhamdulillah sai dai ma Allah godiya shekarar da na shiga sosai kwar na zo kuma Allah bai nihi ba shekarar da aka ce za a ƙara wata an zo an yi zaɓe aka yi wannan aka ce corona ta hana ba a yi kokowa ba to wannan zaɓe da aka yi ma ciwo na ji Allah sa kuma sai na tahi na yi zaune bayan kokowa ba sai wannan karan da Allah sa na samu lafiya kin na dawo Pour Maman Bachir, ancien champion d'Afrique et entraîneur de la région de Maradi, son poulain Jackie Bahoro a des beaux jours dans la lutte parce que selon lui, le gladiateur possède toutes les qualités d'un athlète complet. Qu'est-ce Ce a, Jackie Bahoro, alhamdulillah, shekarar bana dai aka fara sashi kokowa goma kuma mun ga kamun shi ba don wani kuskure ma da yanzu muna sa ran idan Allah ya da ta yi neman takobi da shi amma shekara mai zuwa in Allah yadda za mu ƙara farme ɗin shi da muna sa ran Allah da shekara mai zuwa ci mana ta kofi saboda yaro ne mai kwazo kuma yaro ne danye wanda zuwa gaba muna sa ran Allah zama bayan takobi ma ci mana champion d'Afrique insha Allah. Lawal Moussa Dijaki Bahoro est une personne qui joue de l'estime de son entourage. Selon ses amis et proches, il est toujours disponible pour ses coéquipiers de l'écurie, même dans les moments difficiles. wannan aiki da muke da jaki ba horo mu dai zaune muke da shi amana Allah kuma duka kan mu haɗe idan ya samu na samu idan bai samu ba ba samu ba kin ji zaman da muke da shi gaskiya halin shi mai yi ne zuciyar shi mai haske ce inda duka muna tare da shi muna jin daɗin wasa da shi mu zauna mu ci mu sha babu tsaye gumi kuma babu baƙin rai cikin annashuwar dariya ba wata matsala ba wani tashin hankali kuma yan kace ma yaro shi bari kuma shi bari an kace ayi kuma ayi kenan ka gani sai ma Allah dubun godiya kuma amma kuma yaran gasa da biyayya kuma haka ake so ba matsala wajen maiya ba matsala tsakankanin su to alhamdulillah Lawal Moussa di Jackie Bahoro expert de crochet international et international aujourd'hui il porte sur ses épaules l'espoir de toute la région de Maradi Voilà, chers auditeurs, vous venez de suivre comme ça le portrait, n'est-ce pas, de ce jeune rabbi, je dirais, qui a encore de beaux jours dans l'arène, selon son entraîneur que nous venons d'écouter, même si le sabre lui a filé entre les doigts. Cette année, on dira que c'était, ce n'est qu'une partie, euh, remise. le portrait est signé Salamatu Kadri. Kadri. Voilà. Après ce portrait très intéressant, qui dans la capitale économique, Maradi, pour Zinder, cette fois-ci, la capitale du Damagaram. Et ça, c'est pour la musique. Dégustez le dernier morceau de notre playlist d'aujourd'hui. Voici pour vous Baya de Feu, Sani Aboussa, du groupe Haske de Zinder. Super Haske de Zinder.

kaba ashia ashe yaro gudu ya koya shi ba san inda zai labe ba ku tare da haske in sauti ne mai armashi haya baya fage bace haya baya fage bace in ke ce ma king choose haya baya dubun jama'a sun kwandake kuma duk sun shida kin yi jus wai kin zama karya mai ba ma kowa haya baya haya ba ke bace haya baya ba ke bace haya baya haya ba ke bace ike ce ma kin yi haya baya haya ba ke bace ki ga birni gani ral dan beka makiba. kama ki ba sai girgiza gindi in gani sai kuma ral dan zariya bai kama ki à toute la population du Damagram, notamment aux fans inconditionnels de ce grand monsieur qui était Sani Aboussa. Ayabaya, c'est pour vous. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Aya Baya du fait Sani Aboussa du groupe Super Haske de Zander, tout en espérant que vous avez bien dansé sur cette belle sonorité musicale. Alors, Rabi, on passe au loti du jour. Oui, c'est sinon, le loti de ce lundi 15 janvier 2024 nous parle de petit cola et oui, de, la... de gingembre. <laughs> <laughs> de la cola dans du jus de gingembre. Hmm. Non, toi aussi, c'est une recette secrète des femmes pour pimenter leur vie de couple. Ah. Je ne vous en dis pas plus, écoutez tout simplement. Retrouvons Rakia Arimi et Samira Rouafi pour nous en dire plus. Oui, entrez. Bonjour ma belle, ça va Tu vas bien Eh, c'est toi Bonjour, comment tu vas la prends place. J'ai fini d'écraser mes petits colas, je te reviens. Hmm sa fille avec ses spécialités. Écraser les petits colas pour faire quoi avec Hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ces là. C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes. C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui aident à soigner quelques maladies telles que la plaie de ventre, les plaies curable et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses. L'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup de maladies. Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tout. Tu vois, je ne connais pas tout cela. Oui, Safi, mais de la façon dont tu en consommes, hmm, on dirait une vraie, vraie, vraie spécialiste. Kadi, je consomme à peu près 20 colas par jour. Ce n'est pas beaucoup. Subhanallah. fille, son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas dépasser deux noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et d'un des cas des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est de conseiller de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Les vins noirs là, je ne les consomme pas seul hein, J'y ajoute du gingembre et du coulou de girofle pour booster ma libido et celle du chef. Ya Sofia Donc, si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer? Non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès. Ok, ok, ok, je comprends maintenant. Je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité. Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses et tu dois en prendre en une quantité raisonnable. C'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment. Tout d'accord, comme tu veux. C'est pour ton bien. Hein. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse. Subhanallah, une seconde épouse Hmm. <laughs> Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles, ma cousine du même âge que moi là, elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid ton mari. <laughs> Qui pardon. Et pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là. fais attention. En voulant arranger, à ne pas tout gâter. <laughs> Chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons la culture linguistique en anglais et en français avec Samira. Elle nous explique le mot dialogue en anglais. Chers auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue dans votre émission préférée Culture linguistique. Pour comprendre et être compris en société, nous avons besoin d'échanger, de dialoguer avec notre entourage. D'où le mot du jour, dialogue. Que veut dire dialogue en anglais que ça soit en français ou en anglais, le mot dialogue ne change pas. Mais la prononciation fait la différence. Et ça se lit dialogue. That is the conversation between two or more than two people. C'est-à-dire que c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Prenons un exemple. A dialogue can be serious, fun, or constructive, qui signifie que le dialogue peut être sérieux ou rigolo. Un second exemple. A dialogue can be writing or spoken. C'est-à-dire qu'un dialogue peut être écrit ou parlé. Un dernier exemple. The dialogue was dramatic. The dialogue was dramatic. Qui veut dire que le dialogue était dramatique. Dialogue serves as a platform for individuals to exchange ideas and learning from one another. Ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time. Thank you and goodbye. Voilà, merci euh, Samira Oumarou. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en full day, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Et maintenant, c'est nous écoutons quelques messages vocaux d'auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Je m'appelle euh, Ousmane Je suis de la localité des Filingués. Tout d'abord, je tiens à présenter toutes mes félicitations euh, à Studio Kalangou pour son anniversaire. Et nous profitons aussi pour les remercier de tous les efforts qu'ils sont en train de faire euh, pour euh, passer des informations fiables à l'endroit des jeunes d'une manière particulière et à l'endroit de la population de manière générale. Toutes les émissions qu'on arrive à suivre comme forum, FADA des jeunes, espace femmes ou forum presse, vraiment c'est des émissions qui nous plaisent et nous souhaitons à ceux qui Studio Kalangu évolue dans ce sens. Euh, ce que nous souhaitons de plus, c'est que Studio Kalangu accorde un peu plus de temps, euh, surtout au niveau des forums euh, rencontres avec les FADA. Donc c'est vrai que c'est des émissions qu'on fait en Hausa et en Zarma, donc nous voulons assez qu'il y ait vraiment un peu plus, euh, élargir ça au-delà des Français, des Hausa et des Zarma, peut-être inclure d'autres langues euh, qui vont permettre à ce que celui qui ne comprend ni Hausa ni, ni Zarma, qu'il puisse aussi, aussi euh, écouter ce que Studio Kalangu fait. Mais d'une manière générale, vraiment, nous remercions Studio que de ce qu'elle fait parce que elle nous donne des informations, surtout nous en ce qui nous concerne les jeunes, vraiment des informations qui nous vont droit au des informations qui nous paraissent fiables. Donc aussi à travers euh, différentes euh, rubriques qu'elles font ou les articles qu'elles publient sur euh, leur euh, site internet ou bien à travers les applications, surtout les numéros WhatsApp. vraiment là aussi c'est vraiment une belle initiative qu'elles ont eu à faire. Donc nous souhaitons à ce qu'elles continuent dans cette lancée là pour que tout le monde soit au même pied d'égalité en termes d'informations. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Et oui, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en de Rabi Mekano et moi-même Ali Munkela Ousseini. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. À la technique, nous avions la grande dame Amina Hassan qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et les deux dames de fer, Raïla Zoussoumana et Adama Dawaki qui étaient à l'édition. Et oui, n'oubliez pas un de rester câblé sur nos radios partenaires ou sur notre site web le www.studiocalangou.org pour suivre nos journaux en cinq langues à partir de 17h. Bon début de semaine à tous. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.